le président de la République Macky Sall a eu des programmes bénéfiques pour ces populations. Je veux nommer, par exemple, l'ADER, le FONGIP, la CMU, la couverture maladie euh, universelle et d'autres programmes bénéfiques pour ces populations. Seulement, ces femmes en ont encore besoin besoin de, de, formation, besoin encore d'autonomisation pour aller à l'échelle, mais également ont besoin d'une sécurité sanitaire, mais également d'une sécurité physique. Il s'agit en fait de nous mettre en relation avec le PSE, l'axe développement humain, mais également l'axe économie, transformation structurelle de l'économie. Donc c'est un honneur de vous recevoir à travers cette tournée et nous savons que vous allez vous enquérir des problèmes des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du développement, du développement économique mais également du développement humain. Et nous, Conseil départemental, en tant que collectivité territoriale, nous œuvrons à travers cette mission, notre mission de promotion du développement économique, social et environnemental. Donc nous espérons qu'il y aura en fait la résolution des problèmes des femmes. Nous pensons aux 3F, à la formation, au financement euh, et aussi à la formalisation. Donc nous savons que ce sont les problèmes des femmes. Warna projet yi nga projet de développement ñu jàppale les jigéen yi nga dans le ñoo département de Saint-Louis Nous na naam lu fi parce que nous sommes gërëm suñu responsable yi fi maire Mansour Faye projet de développement bu yëngu mi ngi siy jàppale jigéen ñi ñoo ngi gërëm suñu honorable yi nga xam ne ñoo fi ne di gërëm suñu président conseil départemental partenaire yu yëngu ñoo ngi leen di indi si département bi ñuy jàppale jigéen ñi mais nag du tee am na programme état yu nga xam ne moo nekk ci gouvernement bi te vraiment jigéen ñeen war nañ si gis seen bopp madame la ministre foofu dañ la fay jox benn idée nga jàppale jigéenu département Saint-Louis xëy na sax bare na ay programme mais si wàllu financement si wàllu activité de développement yi si wàllu matériel agricole si wàllu intrant agricole parce que Saint-Louis dafa tëddee secteur bu ngay xam ni am na ñu nga xam ni dañuy bay dañuy bay maraîchage bi dañuy bay riziculture bi tey boo xoolee exposé bi am na ñu fi exposé ceeb ñuy transformé ceeb bi ay riserie soxla nañ ko si département bi lu doy département Saint-Louis bu te transformer ay jeebam di dem ba ay département Dagana di transformer vraiment ministre loolu lu xaw diis la ñoo nga lay ñaan ci ay matériel en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin face aux besoins économiques galopants les femmes ont démarré par des activités génératrices de revenus à titre individuel et à petite échelle plus tard, elles ont senti l'importance de travailler en groupe et en synergie et se sont érigées en groupement d'intérêt économique. De nos jours, une bonne partie de ces GIE sont devenues de petites et moyennes entreprises qui s'activent autour du maraîchage, de l'agriculture, de l'artisanat, de la transformation des produits agricoles et halieutiques, la restauration de la transformation de celle de cuisine, du commerce en général.